Juste à la veille du mois de Ramadan, quand vous faites un tour c'est les marchés qui sont au niveau là-dedans, vous allez constater un changement des prix. Donc là même a été remarqué par le consommateur et même ils ont compris, ils savent que même d'avance c'est en prédit au mois de Ramadan qui s'annonce. Et maintenant voilà, nous sommes dans le mois de Ramadan, ça se confirme. Parce que quand vous faites un tour, vous allez quoi, les choses ont changé vraiment d'une manière intolérable quoi. Parce que quand vous voyez ce commerçant là, chaque fois qu'il est à cette période là, il essaye d'avancer des arguments qui ne tiennent pas. Or, il faut qu'il comprenne que ce n'est qu'une période limitée, ce n'est qu'un seul mois. Et en un seul mois, on ne peut pas devenir riche comme ils le pensent. On ne peut pas devenir riche en n'ayant pas pitié de ses propres concitoyens, de ses consommateurs-là qui font de vous ce que vous êtes. Nous, nous pensons que vraiment les commerçants doivent agir d'une manière qui ils ne vont pas tomber en faute, mais aussi d'une manière que le consommateur va se sentir toujours à l'aise comme d'habitude.